paree visiter école yi ma ñëw fii tey APDA agence bi nga xamni euh, DG Ndaw moko jité Papa m'a dit, and ci ak euh, artisans yi président union nationale chambre de métier ñu def fi foire mais foire bi nak liko caractériser moy liguey ak loxo euh, ñom dañu sétlu ni que ci artisanat bi dafa bari ay métiers yo xamni ñi ngi ci biir dëkk bi mais dañ leen di perte parce que ñiko ko doon liggéey ak sen loxo defatuñ donc ñu def ben foire spécifique pour liguey ak loxo lolu lu am solo la parce que dina tax

du marché international pour mener parce que gis fait fi ay produits de qualité yo xamni war satisfaction nos œuvres artisanaux surtout les anciennes œuvres euh, les anciennes œuvres artisanales qu'on puisse les ressusciter et des foires de ce genre nous permettent de montrer nos terroirs dans leur diversité dans leur activité artisanale c'est très important donc c'est pour ça que je félicite le la PDA le directeur général de la PDA pour avoir initié cette foire là mais et avoir l'idée d'avoir invité toutes les régions du Sénégal les artisans sont venus démontrer les choses qu'ils font à la main, c'est important. Et je pense que euh, le Sénégal quand même a beaucoup de choses à montrer euh, sur le, plan artisanal. Nous allons nous efforcer à les accompagner. Sur l'instruction du président de la République, le président veut que l'artisanat fasse un cran au-dessus. Et cette foire nous, quand même, nous a donné des satisfactions sur les produits, sur l'originalité des produits artisanaux, mais aussi sur la manière de fabriquer ces produits, c'est important. Partout ailleurs dans le monde, les produits artisanaux euh, euh, qui sont faits à la main coûte cher. donc ça veut dire que nos artisans peuvent vivre de leurs produits artisanaux